Non, de cette année, que personne n'essaye de, biaiser le, vote des, électeurs. Donc euh, je pense que si on continue comme ça, ça se passera normalement. On n'a pas encore vu de rush. On a vu justement que... Oui, on me l'a signalé tout à l'heure. Euh, je ne sais pas. Vous savez, les gens votent beaucoup en fin de matinée et au courant de l'après-midi. Donc jusqu'à 15h, je pense que il ne faut pas se faire euh, euh, de mauvaises impressions. Benno avait perdu au profit de Yehui. Euh, vous pensez qu'aujourd'hui, il peut y avoir un renversement de situation Écoutez, c'est le peuple qui décide. Moi, tout seul, je ne suis pas le peuple. C'est le peuple qui décide et ce qui décide, c'est ce que nous devons accepter. Ce qui est particulier, votre fils est de l'autre camp, du camp rival. Il est le maire de Dakar. comment est-ce que, comment est que vous... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il n'était pas maire. Il était maire ici, là où sommes. nous Dakar, De la ville de Dakar. Ah oui, mais écoutez, il est dans, la, dans sa continuité. il, a, il a, il a, il a, dans, quelques, peut-être le mois prochain, il va faire 47 euh, euh, ans ou 46 ans, comprenez Donc il n'a pas 14 ans, je ne suis pas son... Je suis son père, certes, et j'en suis fier, comme beaucoup d'hommes de mon âge, mais je ne peux pas le chicoter ou le dire, lui dire tu fais ci, tu fais ça. Non. son, fils, son fils à lui a eu 22 ans cette semaine. Alors quand même. vous le soutenez ou pas Écoutez, ça, je pense que ça n'intéresse personne. Le vote, je vous signale, il est secret. Et ce n'est pas moi qui vais euh, dévoiler le secret. Oui, mais c'est quand même particulier, non c'est Non, ce n'est pas particulier, ça, ça a déjà existé. Moi, je me souviens, lorsque j'étais au PDS, on a rencontré des familles où des frères ou alors des parents étaient dans d'autres camps, alors que les enfants étaient dans d'autres camps. voilà euh, c'est-à-dire que njort naa fonctionner normalement dans li ma li ma gis ba léegi léegi il est peut-être onze heures et demie dal na xel mais nag euh, li ma waxoon euh, euh, en janvier moom moom ci local yi moom laay waxaat tey damay ñaan ñëpp respecter électeurs yi respecter texte yi kenn bañ labaj quoi que ce soit bu loolu bu amee jàmm day am

kër ga moom foofu politique amu fa waaw donc euh, que en février en janvier benn camp gagné peuple bi mooy décider ndax camp boobu moo war a gagnéwaat bi yoon am déet c'est ça léegi nag pour le reste du lu bees du lu bees donc euh, choix boobu mais mais choix boobu kañ du defuma ko léegi nii balaa maa ñëw xamoon naa fu may voté voté naa ba pare mais il n'était pas maire de Dakar il n'était pas maire de la ville de Dakar. mais il est maire de Dakar man Amnati, maman ci santé maa ngi Gourou euh, Sénégal am